Bismillahi wa salam ala alayhi wa salam. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous présenter un documentaire concernant la maçonnerie, qui est une société secrète. Donc nous allons vous présenter les symboles maçonniques dans la sphère économique, sociale, culturelle, politique et les médias à travers le monde. Le premier symbole de la maçonnerie est l'œil qui voit tout, donc c'est la première partie que nous allons voir ensemble. Donc ce symbole qui symbolise les qui voit tout. on a un cercle qui symbolise les au niveau des entreprises, des logos des entreprises. Donc, ce que je vous montre là sont les logos des différentes entreprises au niveau mondial qui symbolisent les qui voit tout. Donc là, c'est awake, vous voyez avec un seul œil. Là également, un pyramide avec un œil. À gauche, vous voyez un œil. Là, sur la pyramide, c'est le même exemple tout à l'heure. En bas, vous voyez l'œil qui symbolise Là, c'est dans un bande dessiné. Même scientifique indépendantiste à la gauche. Ici également, vous voyez l'œil hein, avec des euh, rayons solaires. En haut, à droite de la photo, là au centre de la photo, là à gauche de la photo, sous forme de pyramide, là sous forme de flèche noire, vous voyez l'œil. En haut, y a, ça symbolise l'œil également. Ici, donc, au centre, on a l'œil. Là, à gauche, vous voyez le symbole de l'œil au niveau des entreprises là aussi au centre. Donc tout ça symbolise, mes frères et sœurs, le symbole maçonnique de l'œil qui voit qui opère à travers les compagnies d'assurance, à travers les entreprises et un peu partout au niveau mondial. Donc, la plupart des logos malheureusement symbolisent l'œil maçonnique. Hein. donc là, vous voyez également en bas. Hein. Donc ça, c'est une entreprise Gardasil, par exemple. La New Earth Army, donc, vous voyez l'œil sur la pyramide. Là, à gauche également, dans la pyramide. c'est une société Bosrael Israël. C'est la société Ford, qui est sous forme d'œil. Là, c'est la société Time Warner Cable. Ah, là également, c'est sous forme de pyramide, qui symbolise l'œil maçonnique. Donc, ça, c'est la première partie. Nous allons entamer la deuxième partie pour symboliser l'œil qui voit tout dans les films, clips et BD. Donc, ça s'intègre même dans les clips. Là, vous voyez, je l'ai encerclé en rouge. Euh, je l'ai mis sous forme de flèche. Vous le voyez en bas. Donc ça, c'est dans les films, hein, mes frères et sœurs. Donc euh, ça symbolise l'œil, même dans les bandes dessinées que vous voyez ici. Euh, sur sa main de droite, sur le chapeau du rappeur, 5500, j'ai symbolisé sous forme de flèche. Là où se trouve l'œil, sur Photoshop. Là, sur les bandes dessinées, avec une flèche ah vous voyez ah. même sur les bandes dessinées on voit l'œil apparaître sur sur euh, indiqué sur flèche là je l'ai encadré ah, dans les films dans les bandes dessinées que, j'ai encadré c'est un film c'est une bande dessinée en haut vous voyez sous un nom, là euh, euh, sur la dame là c'est derrière hein. là en haut à gauche droite sous forme de pyramide vous voyez l'œil dans les films Hein? Ça, ça, se trouve un peu partout, sur les vêtements de la dame, là, derrière la voiture. Là aussi, c'est un œil en haut du compas. Là, c'est sous forme de pyramide. Le titre du film. Là aussi, sur Superman. Hein? Là également, c'est sur le t-shirt du gars. Là, vous voyez le symbole de l'œil avec des rayons solaires. À droite de la dame, vous voyez l'œil. Là, sur, sur le t-shirt, vous voyez l'œil. Hein? Là, c'est sur le t-shirt en sac rouge sur euh, euh, le truc. Là, c'est sous forme de plan. Là-bas, sous forme de plan. Ça, c'est en Turquie. C'est un film en haut à droite. Hein, là aussi, c'est dans un film. Là également, hein, sur Angelo, Angelino, derrière le t-shirt. Là, c'est derrière le film. Vous voyez euh, là-bas au fond. Là à gauche, ça symbolise l'œil qui voit tout également. Là également à gauche. Là, c'est derrière Madonna. Vous voyez les pyramides avec l'œil. Ah, hein, malheureusement, elles font partie des maçonnerie. Là, c'est dans un film Demon Wizard. Là, c'est un titre de film. Vous voyez l'œil avec un seul œil qui sort. Ah, là, c'est sur le billet de 50 dollars. C'est sur un clip qu'on voit l'œil. Là, c'est la marque euh, Puma. Là, c'est le star qui porte un chapeau avec un œil. Là, c'est dans un film euh, différent. Là, c'est je l'ai en rose. l'œil. Là, c'est un chanteur également qui porte l'œil qui voit tout. Là, c'est juste en bas, vous voyez là où, il se tient. Là, c'est sur la carte. Hein, là, je l'ai montré en flèche jaune où se trouve l'œil qui voit tout, même dans les films, euh, mes frères et sœurs. Vous voyez l'artiste, là c'est derrière Hitler, vous voyez l'œil qui voit tout. Là, l'artiste montre un seul œil. Là, c'est un film, à gauche, je l'ai montré sous forme de flèche rouge. C'est sur le t-shirt de la dame. Donc, euh, nous allons entamons la troisième partie qui concerne les gestes maçonniques des stars symbolisant tout. Donc, voyez ici, tout, avec un seul œil, les stars se font prendre des photos, mes frères et sœurs, avec un seul œil, qui symbolise l'œil maçonnique, l'œil qui symbolise le Dajjal, l'Antéchrist. Donc, voyez ici, avec des, euh, des photos, avec un seul œil. Donc, donc toutes ces photos ne sont pas faites par hasard mais ça montre euh, seulement le symbole maçonnique. Là, par exemple, euh, elle cache ses cheveux, euh, son nez avec des cheveux. Ah, donc là, elle se prend, en photo avec un soleil. Là aussi, c'est dans un film. Vous voyez. Donc, tous ces stars se prennent en photo avec un soleil. Donc, c'est pas fait, fait par hasard, mais c'est fait dans un but très précis pour montrer aux gens le symbole maçonnique de l'œil qui voit tout, l'œil qui observe, qui observe tout ce que vous faites, qui vous contrôle, 24 sur 24. C'est l'œil du Dajjal. Donc là également, ah, c'est avec un seul œil. Donc malheureusement, tous ces stars sont mouillés dans le système, dans le système maçonnique du nouvel ordre mondial. C'est un autre star. Donc vous voyez, ah, là, elle ferme les yeux. Là, elle cache ses cheveux avec, euh, l'œil. Donc ses cheveux cachent l'œil. Là également, ses cheveux ah, englobent l'œil. Donc, tous ces euh, stars font en sorte que quand cela apparaît là, elle ferme les yeux. Hmm. Là également, euh, avec une photo. Donc, euh, il y a plusieurs façons de fermer l'œil. Hein. Tout ça, ça, malheureusement, ça symbolise l'œil maçonnique. Donc, vous voyez ici également. Je vous laisse observer. Donc, vous voyez que ça s'implique un peu partout dans le monde sa forme un seul là également, on, voit que sa forme un seul La sort eh, dans un seul vous voyez. Donc tout ça, ça symbolise l'équivalent. À travers tous les stars qu'on connaît, les stars célèbres, populaires, vous hein, voyez ici exactement dans un journal, elle. Là, c'est Madonna qui cache son nez avec un chapeau. C'est pas fait par hasard, mes frères et sœurs. Là également, parce que personne ne, se, prend en photo avec un œil comme ça. Donc, c'est dans un but très précis, dans un but clair, pour envoyer un message aux gens, pour dire je suis quand même dans le système maçonnique hein, du, Donc, là également, quasiment tous les stars, on voit, qui sont impliqués complètement dans le système. Donc tout ça, euh, là, c'est Jenny. Hein. Donc, euh, ouais. Donc, euh, ça, vous êtes impliqué dans le système et on, vous hisse au niveau le plus élevé. Soit vous refusez d'être dans le système et on ne prône pas votre film. Donc, si vous voulez que votre film soit connu, il faut être mouillé malheureusement dans le système maçonnique. Donc, c'est ce qu'on voit également. Donc, tous les stars se sont impliqués dedans. C'est pour euh, qu'ils deviennent célèbres, la célébrité, la richesse. Ah, donc, tout ça montre tout. C'est dans un but extrêmement précis, un but ah, pour envoyer un message, pour dire quand même que l'œil est partout. Et je m'incline, je m'associe quand même à ce symbole malheureusement. Donc la femme est une société secrète vraiment qui nuit absolument à, aux musulmans. Donc malheureusement, là c'est Obama. Hein. C'est pas étonnant. Là également, c'est une, star. Là, il cache ses yeux. Là également. Donc euh, tous ces stars que vous connaissez très bien dans les films, dans les clips, dans les musiques, prennent euh, cette position hmm, pour envoyer un message très clair de l'œil qui voit tout. Hein, là également. Donc rien n'est fait au hasard. C'est dans un but extrêmement précis. Donc je vous laisse contempler. Regardez bien ces photos et vous verrez bien que le message est très clair. Le message n'est pas anodin. Le message n'est pas fait par hasard. Mais c'est indiqué, c'est dans un programme très précis. Des millions de personnes connaissent ces stars, suivent ces films, suivent ces clips et envoient un message très clair de l'œil qui voit tout, de l'œil de l'œil qui observe tout ce que vous faites. Donc malheureusement, c'est ça le système maçonnique à travers le monde. Donc regardez ces films, mes frères et sœurs. Ah, observez bien ce qui se passe Là hein, ouais, hein, tous ces acteurs, Jean-Michel Jarre. également, hein, il y a différentes positions, toutes sortes de positions. L'essentiel, c'est qu'il n'y a qu'un seul œil qui sort. Hmm. À travers les Africains, les Américains, les Européens, les Asiatiques, les Arabes. Donc, c'est vraiment mondial, quoi. Là également, c'est dans un journal, ouais. Hein, Citizen la le journal elle, que vous connaissez. Cette fille, là également, même en plein météo, hein, journal météo, là, c'est la dame, hein, c'est une dame, là c'est Carly Simon. Hmm, donc vraiment, il y a beaucoup d'exemples, mes frères et sœurs, qui montrent vraiment que la, la plupart des stars, malheureusement, sont impliquées dans ce système. Si vous voulez être connu, si vous voulez être célèbre, là c'est Michael Jackson, était enfant. Si vous voulez être célèbre, vraiment, en général, on vous dit qu'il faut être impliqué. Il faut être mouillé dans le système Sinon, vous ne pouvez pas être si célèbre que ça. Donc, euh, Iblis, Satan a rendu véridique ses paroles quand il a dit euh, à Allah, au Seigneur de l'univers, il y aura très peu de serviteurs qui seront reconnaissants envers toi, qui seront reconnaissants qui, qui seront guidés. La plupart des serviteurs seront déviés, seront égarés. E. Malheureusement, je crois que la promesse de Satan a été tenue. Donc malheureusement, tous ces stars, ouais, à un moment de leur vie, en tout cas, ils sont impliqués. peut après, ils vont y sortir, peut-être j'ai dit, parce que c'est pas vraiment évident de sortir de ce système-là. Donc voilà, Michael Jackson, quand il était impliqué, plus tard, certainement, vers la fin de sa vie, euh, il en est sorti. Donc là également, vous voyez le chanteur. Hein? On vous dit clairement, si vous n'êtes pas impliqué dans les chansons maçonniques, dans leur façon de faire, leur façon de voir, le message de la musique, le message des clips, si vous ne suivez pas, si vous ne respectez pas leur programme, ils, vous éjectent. Là, c'est une Bolt, hein? c'est pas étonnant. Ils récupèrent toutes les stars des films hindous, des films euh, américains, des films européens, etc. tous les stars sont récupérés euh, pour s'impliquer dans le système. Les stars musique, les stars des films, les clips, les théâtres, etc. Tous les gens cool, très connus, hein, tous ces gens-là, adorent le système d'Agal. Là, c'est également Madonna. Ouais. Mm, donc tout ça. Donc, vous voyez comment le système est global et mondial actuellement. Toutes les races sont impliquées, tous les continents sont impliqués, toutes les stars quasiment sont mouillées dedans. Donc, euh, personne euh, n'est pris en photo comme ça par hasard. Ah, imaginez qu'on prend en photo avec un seul œil, quand même. Ah, donc, c'est clair que ce message est très clair. Oui, toutes ces, toutes ces photos montrent l'œil qui voit tout, l'œil mentionné, l'œil des Illuminati, mais c'est la même chose. Que ce soit au niveau des hommes, des femmes, c'est la même chose. C'est un message qui envoie aux autres stars pour dire que je suis impliqué dedans. Donc, voyez là C'est ça là. Hein? Là également. Vous connaissez très bien ces stars, ceux qui regardent les clips, les films, etc. Laura Bradigan, là également. Donc, on vous montre le maximum d'exemples pour que vous voyez que le système quand même est global et mondial. Mm. Donc tout ça, regardez, cette piste de photo n'est pas faite par hasard. Ah, regardez, à chaque fois, il y a un geste qui cache l'œil, l'œil qui voit tout, l'œil du Dajjal, l'œil de l'Antichrist. Même avec les enfants, ils ne sont pas épargnés par le système. Si vous voulez être célèbre, on vous dit Allez-y, il faut être impliqué, malheureusement. Allah nous en préserve. Vous ah, la plupart des stars sont soumis à ce système. Donc, toutes ces femmes ou hommes sont complètement mouillées dans le système maçonnique qui veut sortir de l'islam qui vous égare loin, très loin dans l'égarement. vous savez que la maçonnerie est anti-islamique, anti-musulman. Vous pouvez pas être à la fois maçon et musulman, c'est pas possible. Ceux qui le disent, disent juste des paroles comme ça, mais c'est totalement incompatible, totalement opposé. La maçonnerie qui est une société secrète qui est subdivisée en plusieurs degrés parce que le plus haut degré de la maçonnerie, mes frères et sœurs, c'est le 33, e degré. Donc, ça commence au plus bas échelle jusqu'au plus niveau échelle. Premier degré jusqu'au 33e degré. Donc, vous voyez, toutes ces stars sont impliquées dedans. Là moi. Et le système est très présent dans de nombreux pays, même en Afrique, même au Sénégal. Le système maçonnique est extrêmement présent actuellement dans les écoles publiques, dans les écoles supérieures, privées surtout, ah, surtout dans les écoles privées supérieures. Dans certains habitats, vous constatez qu'il y a des, des symboles maçonniques, même à la chambre de commerce. La plupart des symboles sont maçonniques. Le serpent qu'on monte dans les pharmacies, fait partie également du signe maçonnique, le serpent, qui symbolise euh, les pharmacies. Malheureusement, ça fait partie également de le, symbole. Donc, tous ces stars montrent un seul œil, l'œil qui voit tout, l'œil qui observe, qui contrôle. Hmm. Donc, clairement, on vous dit ce message. Si vous voulez être célèbre, si vous voulez être connu, intégrez le système maçonnique. Sinon, vous n'êtes pas connu. Donc, dans cette quatrième partie, mes frères et sœurs, on va le symbole maçonnique des cornes du diable dans la musique. Donc, vous voyez la, corne du diable, ça symbolise les cornes. Vous, savez que le diable, à à les cornes, le Satan. Donc, regardez, ces stars sont prises en photo avec leurs doigts sous forme de diable. Là, c'était Michael euh, à son époque. Là également. La Sahara, ah, le symbole maçonnique des cornes du diable. Donc toutes ces sœurs sont impliquées, malheureusement, dans ce système. Si adhère, ces photos ne sont pas faites par hasard, mais c'est un, un, message clair pour dire que nous nous, nous soumettons au système de Satan. Donc voici les cornes du diable, mes frères et sœurs. Donc c'est un message très clair ah, seul un aveugle ne peut pas voir cela. Voyez. Donc, faisons attention aux symboles qu'on voit. Rien n'est anodin. Rien n'est fait hasard, par hasard. Le message est très précis. Vous voyez. Les cornes du diable. Alors ah, là, c'est un système musicien maçonnique, euh, euh sataniste plutôt. Là, là c'est sataniste. Il y a des clips satanistes. Donc ils adorent carrément le Satan. La voyez en bas avec ses doigts, près de son pantalon. Vous voyez euh, le, symbole. Là, vous voyez la droite avec sa main. Là, c'est très clair avec leurs doigts. Là également, ça symbolise les cornes du diable. Là, c'est très clair. C'est pas fait par hasard. ça symbolise clairement les deux cornes de Satan. Donc, toutes ces stars sont mouillées également dans ces symboles-là. Là également, vous Donc, je pense que c'est très clair. Toutes ces stars montrent leurs doigts comme ça. C'est pas fait par hasard. C'est pas juste pour juguler comme ça, pour ait, non, non. C'est pour envoyer un message clair, pour dire que nous nous soumettons au système diabolique au système maçonnique. Ah, là également sont les Beatles. Vous voyez ces stars-là également. Se soumettre, que ce soit des, des rappeurs, des musiciens, des cinéastes, des acteurs de films, tous sont mouillés, mes frères et sœurs. Regardez ce, ce, ce, ce message. Symbolisant, entre guillemets, la victoire du diable, tous sont soumis au système mondial. Donc vous voyez avec, les doigts à droite, <coughs> là avec les doigts, <coughs> là c'est avec ces deux mains qu'il montre, là avec la, droite, à la main droite, <coughs> avec la main droite également, avec la main droite, là c'est clair, le symbole regarde moi. C'est pas fait par hasard. Parce que ça peut arriver qu'on vue du c'est comme ça par hasard, mais là c'est fait exprès. C'est très clair. C'est un symbole. Ceux qui le font savent ce qu'ils font. Le message qu'ils envoient. C'est pas juste, euh, c'est juste une coïncidence. Comme ça, non, non. C'est très clair. Là c'est dans un film. Là en pause. Là c'est très clair. C'est Apple ici qui présente. Là également, ici également, Le message est clair. Ce sont les deux cornes du diable qui gouvernent. Ils sont tous soumis au système d'Iblis, au système de Lucifer, au système de Satan dans le monde. Là, c'est avec euh, Clinton. Là, hein, ouais. Donc c'est totalement satanique, satanique. Le symbole est clair. Tous sont soumis au système du diable. Mm. Le message est plus que clair. Mm, Là également, oui. Tout ça symbolise les cornes du diable. Là, ça avec la main droite. Là également. Vous voyez, hein, tout ça. Hein. Là, c'est très clair. Rien n'est fait au hasard. C'est un message plus que clair. Vous dites que je me soumets au système de Satan, au système du diable. J'adhère à la vision du diable. J'adhère la partie du diable. Je m'implique et je m'associe aux, visions du diable, à la vision du diable. Donc, vous voyez, hein? Donc, tous ces rappeurs, tous ces musiciens sont impliqués, même dans les clip. Hein? Ils sont tous soumis au système maçonnique, au système de shaitan, du diable. voyez, ah, là, là ce sont des satanistes, Regarde. gars là. En pleine musique, on envoie le message maçonnique. Là, je l'ai encerclé. Là, c'est avec la main gauche. Là, c'est quasiment avec les deux mains. Là également, hein, vous voyez. Là, Akon, hein, Akon, vous connaissez très bien. Cinquième partie, mes frères et sœurs, on verra le symbole maçonnique des cornes du diable à travers les célébrités et des personnalités cette fois-ci. Ah, là, Yasser Arafat. Là, hein, George Bush et, et les autres. Là également. Même au niveau des présidents, au niveau des grandes célébrités, ils sont soumis malheureusement assassin. Ah, système. là, c'est le président Obama. Vous voyez clairement. Là, même un nazi sont impliqués. Les grands stars adhèrent complètement à ce système. Là, avec ses deux mains. C'est très clair. Ah, Berlusconi. Hein? Là, euh, même dans les bandes dessinées. Là, c'est clair au niveau de la tête. Hein? Là, c'est Bush, malheureusement. La Clinton également ils sont tous mouillés. Ouais. Là, ah, c'est très clair. Là, c'est dans les mêmes dans les bandes dessinées. Ah. Donc, Nul n'est épargné. Ah. Là, on montre clairement. Là également. Donc, tout ça symbolise euh, les cornes du diable. Vous voyez le message qu'il envoie. Là également. Hmm, vous Je pense que c'est clair. Ah, même les grandes stars de football. Ah, hein. même les Obama, même, les Sarkozy. Hmm, là, regardez la main de Bush. Hmm, ouais. Là, ah, c'est une certaine, grande certaine, cette dame Là, là c'est avec la tête. Là, c'est clair. las, o sea, las, las grasas la, no, no. la UCI mm, la pop la galma la sabile de me la UCI Hmm. Non tu sa se univo mem de pli gran celebrity. Allah nous en préserve. Donc Satan a dit qu'il va contrecarrer la personne à sa droite, à sa gauche, devant lui et derrière lui. Donc il a dit qu'il va égarer tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est en train de réaliser sa promesse. Si vous regardez ça, vous dites, personne, là je l'ai enseigné, vous dites personne n'est sauvé. Ça vous dites. Mais grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, là c'est le fils même de, de Krakis. Da, gama. Da, sa vili de me. Dok, avan ta me lase, ha? Manum Clinton. En pleine télévision. Là aussi. Là également. Là, là c'est Aaron Schwarzenegger, c'est sa femme. Hmm. symbole est clair, là c'est Madame, Madame ah, Obama, avec sa main en bas, le grand tour du film de 24 heures Vous voyez le message, est clair. Le message des deux cornes du diable. Là, c'est clair, hein? dans l'élément. Là également. Quasiment tout le monde est mouillé. Qu'Allah nous en préserve, les anciens présidents, Truman, etc non ah, là, c'est Sarkozy, c'est clair. Ah. Le message. a un. Mm. Les plus grands acteurs. Spiderman ah, Spider-Man. Grand sataniste, cette femme-là. Mm, très grand sataniste. Là, elle est sur son maillot. Derrière. Là, y ses deux mains là aussi. Là, avec ses deux mains. Avec une main. Là, derrière la tête. Les deux comptes du diable. Là, c'est plus clair encore. Donc, nous allons entamer la sixième partie qui symbolise le symbole maçonnique du triangle. Le triangle. La forme du triangle. Là, avec tout Donc, le, symbole du triangle avec les mains aussi est un symbole maçonnique pour envoyer un message. Donc, tout franc-maçon quand il voit ce message, comprendra que celui-là est mon frère ou bien ma sœur. Donc bon, là c'est lui qui voit tout, mais sous forme de triangle. Vous voyez, au niveau des entreprises. Hmm, là, euh, hmm, là aussi c'est clair. <coughs> le symbole pyramide, c'est pyramide maçonnique. Là dans une entreprise, le logo. Là avec les deux mains. Donc ce n'est pas fait par hasard. Là c'est sous forme de montagne, mais sous forme de pyramide. Le logo d'une entreprise. Là, c'est sous forme de plan géographique. D'ailleurs, c'est pas fait par hasard. Si c'était pas fait par hasard, on le saura. Mais cette photo est faite très clairement. Logement sonique. Hein. regardez la prise de photo et la position des mains. Et plus que clair, c'est un message qui dit J'envoie le message du triangle. Là également, c'est la banque, hein, sous forme de triangle. Regardez les mains, la position des mains connaissez très bien le film, uh, sous forme de triangle. Donc tout ça, les deux mains sont sous forme de triangle. C'est un symbole hautement maçonnique. Donc, il est temps que les musulmans sachent quand même ces messages et se réveillent un peu pour savoir à qui on a affaire. Regardez également. Donc, euh, il ne faut pas juste imiter certains gestes, il faut savoir aussi l'origine des gestes. Qui est, qui est à l'origine de ces gestes-là donc, Là également. Donc, tout ça, je crois, est très clair. C'est fait intentionnellement. Donc, tous ces stars sont en position de triangle avec leurs mains. Là, c'est une entreprise sous forme de triangle, triangle maçonnique. Là, sur les, même sur les drapeaux. Ouais. Là aussi, c'est une entreprise, logo d'une entreprise. Là, c'est Jacques Chirac, hein, avec son collier triangle sous forme de triangle avec ses mains. là il y a un triangle avec ses mains. Là aussi. C'est pas fait par hasard. C'est un symbole très précis. Là aussi, triangle très clair. Là aussi, c'est le, logo d'une entreprise. Sous forme de triangle. Et à l'intérieur, il y a un œil qui voit tout. Donc, c'est double message. Là également. Là aussi, à droite, triangle avec une lumière maçonnique. George Washington. Euh, euh, là aussi c'est un triangle Adidas sous forme triangle maçonnique là aussi sous hein, forme maçonnique là également là aussi hmm, toutes ces banques tous ces logos d'entreprise sont sous forme maçonnique là également donc cette position est très claire et envoie un message aux frère francs-maçons pour dire quand même, je fais partie des membres, je fais partie des frères, je suis bien intégré là. Vous voyez, hein? dès que vous voyez ces symboles-là, vous êtes sûr que le, gars ne l'a pas fait par hasard. Là, vous voyez, hein? Damon, hein? l'acteur Damon, également. <coughs> Aussi, quel est le symbole maçonnique Compas et équerre. Hein? Cinquième, partie, le symbole maçonnique de la main cachée. Là aussi, c'est un grand symbole maçonnique utilisé par les francs-maçons. On prend la main, on le cache sous la veste, sous le costume, sous la chemise. Très grand symbole mentionné. Donc, vous voyez cette prise de photo avec une main cachée. C'est pas fait par hasard. C'est un symbole très clair pour dire quand même qu'on est un grand franc-maçon. Là également. Donc, vous voyez, tous hein, toutes ces célébrités, tous ces présidents, on leur met caché depuis euh, très longtemps, depuis des siècles. Vous voyez, ces photos-là sont anciennes. Hein, depuis 1700, 1600, 1800, tous les présidents des Américains. Là également. Là aussi. Hmm. Ils sont pris en photo avec une photo cachée. Pour dire que quand même je fais partie de France. Là, c'est Lénine, hein, avec une main cachée. Hmm. C'est très clair. Donc, euh, le message est plus que clair. On dit vraiment, je fais partie des francs-maçons. La cachée, on l'appelle la main cachée. quand on prend une photo avec cette prise, c'est pour envoyer un message pour dire que je fais partie des membres. Là, c'est Karl Marx hein, avec sa main cachée. Tous sont des francs-maçons, hein, tous ces présidents. Donc, euh, là, on montre les présidents des Américains. Même euh, euh, au plus niveau des généraux, ils sont mouillés dedans. C'est un symbole purement maçonnique, la main cachée. Ah, tous ces présidents américains sont mouillés dedans, complètement. Ils sont dedans. Hmm. Donc, Donc, voyez la, position de la main en, photo. C'est la main cachée, cachée maçonnique tout franc-maçon, le sait, que Kala nous préserve tout ça. tout ça, c'est le système du diable qui nous éloigne très loin dans l'égarement et nous mène directement dans l'enfer, le symbole maçonnique. quasiment toutes les grandes célébrités sont impliquées, complètement mouillées. Mm. Regardez toutes ces prises de photos. Là, bah, c'est Lénine avec, la photo. Tout ça. là c'est un Turquie. Matatürk. Kemal Atatürk. Là, regardez bien. toutes les prises de photos avec la main cachée. Là également. C'est School and euh, je George Bush fait partie de ces gens-là. La prise de photo avec la main cachée. Ça symbolise le degré maçonnique de l'individu. Ouais, c'est plus que clair. là également c'est Lénine. Ah. Également, avec à fait. c'est très clair ce symbole-là. Je, pense que vous avez bien compris la mais cachée. La huitième partie est le symbole maçonnique du serrer la, les mains. Vous savez que les francs ont une certaine façon de serrer la main. C'est différent de nous quand on serre la main de façon ordinaire. Eux, ils ont une certaine façon d'appuyer la main de la personne qui symbolise que nous sommes frères francs-maçons. Ils ont, une certaine façon de bien serrer les mains. Regardez la façon de serrer la main. Ce qui symbolise euh, euh, le serrement de la main maçonnique. Il y, en a plusieurs sortes. Ça dépend du degré de, du membre. Euh, lorsqu'un franc-maçon vous salue, il saura si vous êtes franc-maçon ou pas. Il le saura automatiquement. Il saura est-ce que vous faites partie de ses frères ou pas. Donc, euh, si vous saluez de façon ordinaire, il saura que vous n'êtes pas initié, vous n'êtes pas dedans. Mais si vous saluez d'une certaine façon, il saura que vous êtes frère, vous faites partie des francs-maçons. Donc toutes ces, personnes sont impliquées. Même Hadafi. Ah, là, c'est pas étonnant. Vous voyez la, façon de serrer les mains. Avec Tony Blair, tout ça, Sarkozy, hein, tous les grands de Palestine, etc. Hein, vous voyez la main, la façon de, de serrer la main, qui est un symbole très clair malheureusement sont totalement impliqués. Tony Blair avec Yasser Arafat. là, c'est Obama. Donc, vous voyez comment la, position de l'armée, c'est pas une situation ordinaire. Même avec Nelson Mandela, hein, tous sont tous mouillés, malheureusement. Donc, euh, vous voyez euh, le système. Soit vous êtes. Euh, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a deux parties dans le monde. Il y a la partie d'Allah et le parti de Shaitan, le parti d'Iblis. Soit vous êtes musulman, soit vous êtes dans l'autre côté. Donc, euh, le système maçonnique, le, système, le nouvel ordre mondial, le système maçonnique, malheureusement. Donc, vous voyez, ça touche toutes les couches sociales, sur le plan politique, économique, social, culturel, à travers le monde, les présidents. Hmm, là, c'était au moment mm, mm, tout ça. Hein. Allez, à Sharon. Donc, la deuxième partie, on verra le symbole motionnique du nombre 666, 666. Vous savez, le 666 est un grand symbole masonnique Donc, vous voyez, la main est sous forme de 666. Hein, ça forme 3.6. 6 Si vous voyez la main. 666 avec la main. Hein tout ça symbolise le nombre 666 mentionné. Là, c'était Michael quand il était jeune. Donc, il était déjà initié. Là également, un tribulaire tout ça. C'est un symbole clair maçonnique. Clinton 666 avec la main qui forme les 3 6 l'ancienne bouche. Donc vous voyez, l'équivoque est 666 également. Sauf si la personne le fait par hasard, mais là c'est fait intentionnellement envoyer un message clair, net. Donc ici, il n'y a pas d'ambiguïté. Il se peut que le message corresponde, je ne le nie pas, avec ces messages. Il se peut qu'une personne non initiée utilise ces messages. Là, on le saura, on fera la différence. Mais si c'est fait de manière intentionnelle, c'est clair que c'est un symbole purement maçonnique et que les gens qui le font sont totalement initiés, savent ce qu'ils font. Non, là aussi, c'est hein Berlusconi, tout ça. Ouais. Le grand symbole 666. Le, le grand 666 est The grand symbole maçonnique. Il faut le savoir. Pas, rien n'est fait au hasard. Là mm-hmm. également. je pense que le symbole est très clair. Le grand 666 est un symbole purement maçonnique qu'utilise la plupart des stars. Ah, je pense que vous avez compris le message. La dixième, la dixième partie est le symbole maçonnique du soleil. Parce que vous voyez que le soleil, ou bien les rayons solaires, est un grand symbole maçonnique qui signifie lumière, les Illuminati. Vous voyez la pyramide avec le soleil. Là également, euh, en France, avec le soleil. Là, c'est un logo sous forme de soleil avec les lumières. Là, derrière euh, l'actrice, il y a les rangs du soleil, dans les rangs du soleil, qui symbolise les qui symbolise hein, la lumière, l'Illuminati. C'est un grand symbole maçonnique. Vous voyez toutes toutes ces photos. Derrière, il y a la lumière du soleil donc, euh, même le journal Soleil euh, au, Sénégal, ça s'appelle Le Soleil, c'est pas fait par hasard. Hein. Ou bien en Angleterre, il y a un journal qui s'appelle The Sun. Donc, tout ça fait partie aussi des symboles maçonniques. Hein. Donc, les rayons solaires avec ces symboles-là, que ce soit au niveau des logos des entreprises, euh, un peu partout, politique. Donc, derrière hein, ces grands monsieur, il y a toujours la lumière du soleil qui éclate. Donc, vous voyez, qui signifie les illuminés, les, les illuminés, on les appelle comme ça, les illuminati, les connaisseurs également, mais avec les grands acteurs, là aussi, vous voyez, c'est clair. Hein, là même dans les bandes dessinées, Mickey, là même avec le symbole d'Hitler là, le hein. il y a toujours derrière ce symbole du soleil, qui est un symbole purement maçonnique, c'est pas fait par hasard. C'est l'œil qui voit tout, la lumière. Ah, les autres sont dans, l'obscurité. C'est eux qui sont dans la lumière. Les Illuminati. Là, c'est dans la banque. Même au niveau des entreprises, hein. Donc, tout ça. À gauche, vous voyez le soleil, la lumière du soleil, qui est un symbole qui n'est pas fait par hasard, mais un symbole purement maçonnique. Donc soit on monte le soleil, soit on monte la lumière du soleil. La même la maison a, des rayures solaires, les rayons là, là également. Donc tous ces logos adhèrent au système maçonnique du Dajjal, là, avec Shell. Là, le logo centriste, vous voyez, même avec Nissan. Hmm derrière, il y a des, rayons solaires. Hein. Donc tout ça, même si ce film-là, tout derrière, il y a un rayon solaire qui montre vraiment l'illuminati. On, parti, on verra la liste des francs-maçons. voici les leaders politiques aux États-Unis qui sont francs-maçons. tous ces leaders-là sont peu francs-maçons, sont mouillés dans la maçonnerie. Bon, c'est vrai que ça va un peu vite, mais sont, sont totalement mouillés là, ce sont les leaders politiques au niveau international. King Hussein, roi de Jordanie, Yizam Rabin assassiné, Yara Arafat, Prince Philippe, Duke O'Kane, Winston Churchill sont tous mouillés dans le système. Là, on, on liste les francs-maçons qui ont le, 33e degré de maçonnerie. toutes ces personnes ont le 33e degré de maçonnerie, c'est-à-dire le degré maçonnique le plus élevé que vous pouvez imaginer. Donc, toutes ces personnes sont totalement mouillées dans le système maçonnique qu'Allah nous en préserve. Là, c'est la suite des listes francs-maçons du 33e degré. On monte au niveau international. Donc, ils ont atteint le plus haut niveau degré de maçonnerie que vous pouvez imaginer, mes frères et sœurs. Qu'Allah nous en préserve. Donc, nous remercions. Qu'Allah nous en préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous voilà avec Allah nous guide vers le droit chemin de l'islam et nous éloigne de